Le discours inaugural du comité de pilotage, ou même, je dois dire, les amis de son Excellence Elage Boubou Sangot. J'essaie de vous dire tout simplement que dans la vie, tant qu'on ne sait pas, qu'on ne n'est pas grand homme, on ne devient pas cursus sa posture et les actes qu'on pose. Nous célébrons ce soir un homme multidimensionnel, un chancelier des affaires étrangères de classe exceptionnelle. Ce panafricaniste, citoyen du monde, a porté très très haut l'étendard du Sénégal à travers le monde. Il a toujours le mot qui réconforte, le sourire qui rassure. Retenu et respect, quelle que soit la personne d'en face. C'est pourquoi nous nous remettons à Allah, subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, pour lui accorder sa satisfaction et sa reconnaissance ici-bas et de l'au-delà. Et puis, chers invités, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une très grande et belle soirée comme celle-là. Alors donc, dans un instant, nous aurons la partie protocolaire et que vous méritez vous-même, vous, chers invités, des applaudissements. Allez, faites-le pour vous. soit à moi de vous dire bonsoir en attendant de un de nos amis qui va nous prendre peut-être en cours la partie polar. Mais je voudrais tout simplement dire bonsoir et merci aux représentants du ministère des Affaires étrangères et vous dire tout simplement aussi merci à l'ensemble des autorités qui ont répondu à l'invitation et vive le comité de pilotage ou même les amis de l'âge de son excellence l'âge Boubou Sangot. Et que la fête soit belle, que Monsieur Demba Babeyeso, son excellence honorable député Diaspora dans la salle. Et on vous annonce également que Monsieur Daoudaya, fait des également est dans la salle. Monsieur Mansour, 6, bien sûr, j'y arrive, est dans la salle. Monsieur Bokarsi également, directeur général du Banque de l'Habitat du Sénégal, est dans la salle. Mais avec la complicité de la région, nous allons appeler Monsieur Souleyman Tamimouane, qui nous fera un discours inaugural pour souhaiter la bienvenue à ces hôtes. Je vous remercie. Euh, monsieur le, le représentant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, Monsieur le maire de la commune de Mouba, Monsieur le maire de la commune de Valéry, honorables invités, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa il me soit l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce temple des civilisations noires où nous sommes réunis ce jour 5 juin 2021 pour rendre hommage à un grand homme, un homme d'une stature exceptionnelle. J'ai nommé El Haj Boubou En son nom et au nom du comité de pilotage, je vous dis merci. Merci de rehausser par votre présence cette cérémonie que nous partageons de reste et que vous considérez à juste titre comme la vôtre. Nos remerciements tout de suite appuyés à la direction et au personnel du musée des civilisations noires qui nous ont assistés pour la tenue de l'événement. Assurément, il est très difficile de parler d'un homme de son vivant, qui plus est, devant un parterre de gens qui le connaissent mieux que vous. Je vais néanmoins me prêter en tel exercice, sans avoir la prétention de vous le présenter. Car je reste persuadé que le film que le jeune journaliste du soir où lui a consacré et que nous allons visionner dans quelques minutes, ainsi que des témoignages de sa famille, de ses amis, de ses camarades de promotion et de ses collègues, vous étudieront sur son parcours. C'est pourquoi je vais plutôt tenter, en revisitant sa vie, de comprendre qu'est-ce qui le prédestinait à une telle trajectoire. Et naturellement, tout me renvoie à sa jeunesse. Peut-être parce que c'est l'étape de sa vie que je connais le mieux. dogoɗeɗe le le en haaju bubusanor a aidé élevé à Bumba son village natal par son nombre dans la pure tradition peuple. Et tout n'a pas été rose pour lui. Permettez-moi de revenir à une anecdote. Toujours garçon, Senghor était très introverti, d'une timidité déconcertante. Il ne parlait tout simplement pas à la maison. Au point de sa grand-mère le suivait souvent pour vérifier, parler quand il était avec ses compagnons de jeu. pour devenir l'homme que vous connaissez aujourd'hui. de son groupe, sous prétexte qu'il n'est pas allé à l'école française. Et eux ne s'accompagnent pas avec un cerf Car cela ne ne supportera pas, ne supportera pas cette exclusion. Il est lui-même parti s'inscrire à l'école française un an plus tard pour les résultats ô combien élogieux que nous connaissons aujourd'hui. Si son marabout d'alors, feu à Amadou gouvernement, n'a cessé de se désoler d'avoir perdu en arrivée au potentiel énorme son maire, Oumar Ba, a lui exulté d'avoir eu un élève de sa trempe. Le marabout, comme le maire, doit de toute évidence être comblé de savoir qu'aujourd'hui, quand sa personne, le fruit a tenu la promesse des fleurs. Quelle leçon en C'est que ça c'est affranchi, tout jeune, de toute forme de discrimination, de toute forme de rejet, pour vivre son rêve avec la conviction, l'abnégation, et le don de soi qu'on lui connaît. Un dernier élément pour terminer. Savoir faisait partie d'un groupe d'amis turbulents et frondeurs à suer qui entendaient croquer la vie à plein nom Et pourquoi il se distinguait déjà de ses compagnons par sa discipline, sa retenue et la mesure qu'il avait en tout. Au point que notre groupe à nous, leurs aînés, ne s'y était pas du tout trompé en lui décernant une médaille de bonne C'était en 1975. Et on peut dire que nous étions des visionnaires, car nous voici, près de 45 ans après, et réunis ici pour lui rendre un hommage mérité. Oui, quel parcours, quelle trajectoire. Aujourd'hui, nous célébrons El Hajj parce que tout simplement, il a mérité de sa famille, de ses amis de ses camarades de promotion, de ses collègues, de la mouvement islamique, de la diaspora africaine et de toute la nation sénégalaise. Alors que la cérémonie soit belle comme l'est sa vie. Merci à tous et, à que la soit avec vous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire Assalamu alaikum, ainsi que l'a dit le grand messager d'Allah, Sayyidina Isa ibn Maryam, Jésus-Fils de Marie, le salut qui s'y lance en affaire à l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 12, ainsi qu'à l'évangile selon La joie et le sentiment que l'on a de faire ce que l'on doit, ce qui appelle donc le sens du devoir. bubusangot kone dole kwa e kullu kadi do do jodi jodi men bangam nyam ko miyam ye o gela sila bangam nano ko jom sudam rewe modon ko biyam e non ko fami tan joni do e ko arti fof ko holno mbadir taw e bubu sangot carte do son excellence ko ali sabba e umar sam jiiɗi baaba gooto aali samde jibine ko buubu aali buubaani jibine yumakko umar sam jibine samba umar sam umar jibine mi min ndeke min yumakko min ɓiɓɓe baaba tan ɓuri ha mayi kami din ñamamde min teddudir kanko buubuni alhamdulillah bilaali min ko ɗo mawni o gande ko ɗo fuɗɗi naweganna nde jangdi ɓuran e, e, e hundi yeɓe men ɗo jaaruɗen naani ko ɗo kadi o jangki ɓakkol ha o yalti ɓom wani ligaali on alhamdulillah emin jettalla samakonde needi makko e neɗɗagal makko omo teddini min omo afi min omo hiisi min denndangal minen kawmokan hande noon kamɓe fof ɓe duttimi yalla yurmo ɓeya fo heddiɓe e gandara ngo min hande kawmo wiyata min tan heddino wara kota baŋgi yumakko mo jiidi kono emin mbi alhamdulillah rabbil alamina wala ko heddani min minen teddu ɗum ɓenni nene makko hokkimo wuro ngo fof mo teddino wonde yum makko omo jaggi ɗum ko nene poɗɗo wonde bam makko omo jaggi ɗum bam poɗɗo wonde nene de gorgol makko ko wonde kaw o sago e en hokkumo sago hoore makko kanko addi noon ko yiɗani hoore makko yo ko tan min min ko duwanade kono minen kay ala ko heddani min minen jirnaɓe haydara o heddanaɓe guila e makko mbiyanmo ko toppiro ka oman toppiro omo toppiro haydara o heddanaɓe min sohaba min ñagoto allah noon ko yallah hokkumo ko yiɗi ko kanko yallah jonno balɗe moƴƴina batte accessible, sympathique et surtout courtois, El Hajou Boubou devient très tôt leader. Sa générosité légendaire est racontée par sa famille qui le décrit comme une figure sociale, une personne au large sens de vie. Ujumbe mmoja muhimu kujua bali uchumi ni kuna madawa nachokoa ya kujili nini. Mungu mmoja haisiki gole ala ibu sona ina mai. Bu atukuna ntanyama. Kangu miskino ala ekala ibatu kwa kwa Bu wana hazili. Wana hazili yenyewe muna hizi yanda muna hizi pando. Hasa kaona ibu bu kwa jama na jigi fata kuna mwantekele jida fata neli hali. tawanna ko ɗum timo bubak suuri minen fof ɓe suudeñoto nagoni mbaako minen min gannda ni baaba kam mo maayi min gannda baaba ko nan no wuuri walla yumma ko no wuuri min kadi tan kam nde woni kanko woni fof sabu nde fuɗɗi nde woni o fuɗɗi dañi o wiya yo ma wayno ma nde won ma gaɗa kawa sabu kawma ko wonangi hamde sambo en nangi tan ko bamma ko hen wonangi o kaw makko hen wonangi endam makko nangi liñol makko minen kala ko jokke e makko ala nimsa te wonno ne wiri haalde ko ɓiɗo moƴƴo ɓe wiri haalde kadi debbo ko dimu kala ko neɗɗo waɗi ko debbo duusiɗo sino waɗanno debbo yoro waɗ o waɗata oɗen min jetti ala min jettimo alaji bobu sambo woni bambuɗo min mo haaɓa e alaji bobu sambo woni cuurɗo min moftuɗumi haa teytunoon e ɗum mooti kala ko jinnaaɗo mbaɗatno o yoɓii gila jahay jooni ko ñamaani woni hakkuren kon yimɓeɓe ko dañi waawa yewte mum sambo ko allah jogiino jobdi o mbiyam yo yoɓano dañi ko mum sambode dañi ko mum sambode neɗɗo woɗɗo juulɗo kadi comme no mbiɗon ni ko sehilam ko ganduɗa mbaddi école primaire mi jaari semi dow ɗon allah serdi men allah waɗi ɗon men ɓuuri yeeyi kanko allah waɗi o allah waɗi o wona eyi allah nayimo ɗo noon ene wayno ko ko neɗɗo moƴƴo e jihana kadi sehiɗi makko mo mawlid ɗo juul kadi woni geɗe ɗo waɗi ɗo ɓuuri heen min wonko mbawno en settade waɗɗo kinaade sabu min rawande en en 2018 o noddi kam ɗo téléphone o mbiyi kama Imyan kala cerro cerro yaya kala snack basa e kila nando ono yitu na ufuri na taka ba video ne liga uyo ya nena mo ye yana mo cha cha kila na ono sebu film ta hin wala mo bila minal da mo kuliya Allah wali da banmi dum nen ko ko nen di khal ko wala ba de ba de o wi min on ko gida ay ko an ko kanko wadi kanko wata ko wada hen wonde cofal yiɗa hay goto anda allah waɗi jaami toon oto waddu maɓɓe dawɗo wadde ɓe obligé kam yimɓe galle ɓe ɗum haala ɓe mbaɗa ɗum ɗum ala jomum yamdani ɓe mbaɗi ha gasi kadi ɓe gari ha ɗo kamɓe joom galle ɓe mbi ɓe jiɗi ƴettude joom jomum ɓe jiɗi andu salimida finalement ɓe mbaɗi tulle moyen haɓe dañi numéro makko nima haɓe luski tan tawi kanko waɗi nodde mum ɓe mbaɗi mo remercié ɗum waɗi kadi juutdu kadi moƴƴi ay julit fen da wonu dobe sel tula e fukon ngam on ko ni do makko kaaje ay way taw hay serna be ngam dawal ko fikir mu de andal tugude mahla hay har kili leso e ko nyaame juli ma juli nan beneen bi nit ñi daa bokk mais benn jàng mën a toog génération moo wundi noonu à chaque tabaski sey dimay tabaski ba tey baɗɗo nayi goto fof omo nelda ɗum ko soni jawdi min ma won duuɓi tati amin mbadda ɗum cikkanno min min tan goto waɗante kono so haalnima mbiyam goɗɗo mbiya kañum kene waɗi ɗum donc ene waɗi ɗum ko moƴƴere nde cekkino ma ko nganndi ɗum ko ko nganndi ɗum ko gila mbiɗa fof min mboɗi ara e duuɓi jeenayyi kanko yaare duuɓi joyi nden min nganndi o yaare duuɓi jeenayi omo yaare duuɓi joyi nden min nganndi kadi nanndiri mumen tan ko moƴƴere e juul e dewal allah e jokkere en am e moƴƴere sehilaaka ala e ngal muɗum noon ko min sehilaaka tan faa haa ɗo haa ɗo joɗɗen mi ala on ko kono xam ko yalla xam moƴƴere aduna e gurdam aduna e wonde juur e wonde moƴƴe ko ɗon haali kadi haalantama wona ko wona ko haalama ma ko sende mum kala andu so so ala ko ala tan ɗum waɗu so wiima eyi ko wona wiide makko ngandi aduna noon ko ni kono buub waxata ko ko ko jawora ko

so mbaɗa haala ɓuri bugu mbawa kay mbawa ala fof mo ruttinani geɗal on moƴƴi wuro ngo on moƴƴi leñol makko on moƴƴi bandigal mum on moƴƴi wuro ngo fof moƴƴi ɗumen on moƴƴi e jamaji on moƴƴi e jeereji kala so ɗum moƴƴani hunde fof ko waɗa ɗo jumo makko nani hen hunde fof woni ɗo jumo makko nani hen ley juudeji ha e korka ha e tasa ha e layyaji fof mo wallita on moƴƴo hinen en faade joni allah no waɗi ɗo woni fof emin noddidiri hay ni ɗiso ñande tan wona waɗi mbattere mo wala no heɓani mo Guru woɓi so waɗi ɗo wuro he wuro di fof ganduɗa Alam ma alam kanko no liggadimi hoore ma ala ma sango ala ma dembo sabu yimɓe nan ɗo he o joguini ɗo ko manda lewru moy xatar ngal kam ko bina ngi ñal dara ko di ngi sandi dum no yiddi bu de de de waide ko wa ko waide ala ko bola ni ko ala ko bola ni ko kala du ya ne wadi kango jum mo ko bu joko bu bu bu bu இன்னைக்கு பாருங்க பூகம் மிக அங்கேயான பயனாய் மிக வீடு வரும் சவால் போட மிக சாவல் குட்டிடம் கட்டு செய்தம் குட்டிபினானோ komin gondi ko ko allah waɗi min ko min meeɗa duddude min meeɗa waɗde probléme kadi min meeɗa yiɗuɗoma haale min meeɗa yiɗuɗoma dugde min jangi ko dum wiyete cheno amadou kourou ɗon min jangi quran kambe be jaha école ñande ɓe jahani école fof ɓe nganndu ko ɓuran ɗon minen kam ko ɓuran tan min jangi ɗum allah wa no noon sa o jangi kam o heɓi hen ko heɓi ko o danni nde o danni de kan o jangi la ta ha allah waɗimo ko wadi ko ha waɗimo ceerno hannde mo wawi wiide allah wi la ko e kan ko moƴƴo ko moƴƴo ko ɗon tan nawɗo wiide ko moƴƴo saggo to wuro ngo fof e nden duwiyeta nde hono ma ala kono waɗanɗi kam allah yoni kam seeɗa wona waɗa man kam wona ne neɗɗo so wi annda ko haalete caggal mum tan haalaade ne neɗɗo kala no mbaɗa kala no woniɗa ɗum tan woni ko haalete caggal ma sa wonɗi ɓe kaalat sa wonɗo ɓe kaalat ɗum noon ko woño hay goɗɗo wawa haalde geɗe makko ko allah tan a haala tan ha tampa deƴƴa kono sangoto ala en eyyi ɔhabe hake ɔmo tɛyi ɔmo heewi hakkille ɔmo ƴoƴi ɔmo annda mon fof ittande ɗum gadal mum moni fof omo jogii fodde mum par ce que kalɗo e makko fof cikkataaɓe on woni sehil makko anndi sehil paltotoon wonaa sehil kanko o faltaaki hay gooto so a so so a ari e makko cikkata ko kanko aan eh, o ɓuri yiɗde aan o ɓuri teddinde kadi allah waɗi hedde debbo mo resi o hono aysa jom والجنب الغلب والجنب خصم خصم خصم خصم Nous l'État en train de manquer John Bala, Sénilom, Fodera. Voilà, nous avons des et comment nous faisons depuis 35 ans. diucapkan dari hal eh, yang kono dari sakit tellement ko buru boy ma ko do hada be nyaaga la wal mo je e balde du de bakka mo je kam ma ko je ni wala ko ya ma ko ni ko sama la ko ko dai ala ko hawa di kam jom ko je ala waji ala ko jim so na kam kam na la mo ni so na ni ko ala minen noon komi mbawi settade allah jibub sangol ko ɗo o jibina o jibina koye junngo kaw makko en o jeeya ko gollere o neha ko ɗo e bumba kono ene wayno ɗo ne ɗo e gumba ɗo hakkille makko nana e département podor hakkille makko nana e arrondissement kaskase hakkille makko nana e commune gumba wona debbo wona suka wona gorko wona mawɗo moni hen fof ene jogee makko geɗele fodde nde tawno kanko ɗo viisi ɗo ko hanki o viisi wona hannde yiyande makko ko hanki e o renndina ko hannde omo fankiiɓe hanki omo renndina ɓe hannde kanko duusangol ko moƴƴo tedduɗo ko laaɓɗo reedu ko jokkoo ƴenndam ko jurum deero kadi kala ko waɗi ɗo ɗum omo waɗi ɗum waɗi ɗum golleere omo waɗi ɗum mboolo biraani kala ɗo ko woni ene jogee makko makko wonno hanki mo jangitno hande o ɓuri waade jabbude ni jogue makko fodde e gueɗal kala kono dañi o dañi hen bandiko en o hiñi hen miskinen o yurmima hen juulɓe omo sakko o wawi hen façon teddugal foof o teddinima ko nehiɗo kadi kadi ko juurɗo ndewo allah haani omona sosi ɗo groupe wiyete ko tufde juuɗe tongode ɗiɗo ɓere rewɓe ɓen o waɗi worɓe ɓe kay so worko mo naano e groupe e mamoudou jeeni joni komin gandano min gandi emine ganda hen ɓuran ɗe balle min koy koye tursitade faati minen fof ɓiɗɗo foof yiyen omo naata hen omo sallira ɗum omo halde hen ko rewe omo jogi hen o gayno ko nodduma banggue o waajo ma kala ko mbawɗa dañde aduna hakkille ma yo ɗum toye dine l'islam sabu woni batte aduna koye tan yimɓe fof gari ko mission kono batten ɗe ko jamgo kanko noon o woni koye ɗen min to faya jamgo to e caggal kay ko wonde banndi koye ko haa gasi hakkille makko artu koye islam minen fof kadi hututima min ko ɗum de min yiyani min jeyama moƴƴude ko laabde o reedu wonde coowo wonde mo jurumteero so tawi ɗo yedde ka makko funere ka makko walla funere mbammakko ne dari ɗo ene liggode waɗi ɗum tan ko woni ko hefti liggi o watte Euh, j'en profite pour euh, présenter encore une fois mes condoléances à son excellence Sangote et à toutes les familles de Mbumba et de Goléré. Il y a également Amadou ou Abdoulaye Diop qui est chancelier des affaires étrangères et l'imam Ahmed Tidjan qui est ancien consul du Sénégal à Abidjan. J'aimerais donc, euh, tout en vous demandant de bien vouloir rester assis, de bien vouloir observer une minute de silence pour honorer leur mémoire et prier pour le repos de leur âme. Donc avec la complexité, pardon, de la régie, nous allons afficher leur image au niveau de l'écran. Merci beaucoup. Nous prions pour le repos de leur âme. Excellences, les ambassadeurs et anciens consuls généraux, ainsi que les ambassadeurs ici présents, honorables invités, son Excellence Elage Boubou Sangote, ainsi que Madame Sangote, honorables invités. Je rends grâce à Dieu, Dieu l'Omnipotent, de nous avoir permis de boucler euh, ce film son Excellence Elhaj Boubou et Elhaj Boubou tout court, le parcours d'un homme multidimensionnel. Ce long métrage de 1 heure 7 minutes a pris à notre équipe 10 mois de travail, de août 2020 à donc euh, mai 2021. Une véritable œuvre audiovisuelle réalisée entre Dakar, Mbumba, Goléré et bien sûr à l'extérieur du pays puisqu'ils ont été nombreux à nous envoyer leurs témoignages lorsqu'ils ont donc appris euh, le projet de film. J'ai connu personnellement Elage Boubou en 2017 à travers mon ami Samutiam Nias ici présent, qui est donc l'actuel chef du bureau du personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur euh, qui a effectué son stage à Lusaka en Zambie auprès de Boubou Sangote est tout simplement revenu émerveillé après seulement 21 jours de collaboration avec cet homme. Émerveillé par son comportement responsable, sa rigueur dans le travail, sa méthode, son honnêteté, sa générosité et surtout dans un cadre, dit-il, convivial et déconcertant, Samba m'a tellement parlé de Sangote. C'est par la suite que je me suis intéressé à la vie de cet homme, à la barbe blanche, comme je l'appelle souvent. Je le faisais intervenir par téléphone dans les émissions que j'animais à la radio, qui traitaient de profonds thèmes d'actualité, de société et surtout de la religion. Mais sa pertinence et ses analyses m'ont à mon tour émerveillé. Les investigations à la source nous ont donc permis de savoir que vous Sangot est aussi un homme qui fait énormément du social, très sensible aux mots des autres. Et pour résumer, j'ai personnellement découvert quelqu'un à montrer à la face du monde, à donner un exemple aux jeunes et même aux adultes, dans un monde où les jeunes ont perdu euh, les repères. Je lui ai parlé de mon projet de film en janvier 2018 et ce n'est en août 2020 qu'il a donné son accord et j'avoue avoir tellement insisté parce que nous autres journalistes, on nous colle souvent ce mot-là, on est vraiment très têtu. Je remercie l'équipe de tournage avec qui j'ai partagé ce travail, ce long métrage, particulièrement Mohamed Nabi Samba qui est l'administrateur du groupe Kai Hall, qui a donc été au cœur des montages et les tournages également. Et ses collaborateurs, donc euh, mon confrère aussi, Lassana Fifé, empêché de la 2F TV. Je remercie euh, euh, Mamadou Diaw, ici présent, c'est un cadre également. Aminata Ndiaye de BAMKARIMEN FM, de Je remercie le grand Sambo Didaroba, ici présent. C'est lui qui a composé la générique du film documentaire. Et j'en profite aussi pour lui renouveler mes condoléances suite au rappel à Dieu du grand Dembahame Guissé qui était votre compagnon de tous les temps. Dembahame Guissé rappelé à Dieu donc euh, récemment. Je remercie très sincèrement Doyen Mohamedou Diara. Il a mis à notre disposition une banque de données. Il est de l'amicale des chanceliers des affaires étrangères du Sénégal à la retraite. Nous le remercions euh, vivement. Merci à tous les amis. Les amis sont nombreux, je ne peux pas tous les citer. Les frères, je vous vois mon frère Baba, mon frère Khalidou, mon grand-père Ousmane Khadja, toute la famille venue de la cité CC d'Aliusso, euh, de la cité Aliusou de Golfe Sud, ils sont tous là. Je remercie aussi mes collaborateurs, RFI, ces services Fulfulde et Mandenka, euh, représentés par M. Ahmadou Tidjan Bari, qui est là, donc qui est venu représenter la Radio France Internationale basée ici à Dakar. Euh, je vous remercie vraiment et remercie également M. Gara, Frédéric Gara, qui est certainement peut-être parmi nous parce qu'il m'avait confirmé qu'il était déjà en route. Je remercie certains doyens comme Hamé Amadouli, Ousmane Makeli, euh, Khalifa Djahate, il n'est pas là, de ITV, qui, nous ont donc beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés et nous ont mis donc euh, sur, les, euh, sur les rails. Et là, je je ne vous remercierai jamais, jamais assez. Je vous dis encore merci. Euh, je remercie donc euh, ma femme qui est là, ici présente, avec euh, mon fils. qui donc peut-être... parce que des fois, on passait les nuits à monter, tous les derniers jours. Donc, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui aussi qu'elle soit là parmi nous. Amadou Daf également, du Musée des civilisations noires, nous le remercions vraiment remercier le directeur du musée, euh, M. Ahmed Bokoum, et l'équipe de pilotage donc, euh, de ces travaux. Nous vous remercions. Je vous remercie de votre aimable attention sans jamais oublier. Merci, M. Dapper. Notre collègue, nos collègues, j'allais dire, les trois journalistes décédés lors du euh, tragique, accident lors de la tournée économique du chef de l'État dans le sud du pays. L'un d'entre eux, Abou Mamadou était donc euh, mon collègue de travail dans beaucoup de radios. On a eu à partager euh, beaucoup de radios. Donc euh, c'est avec beaucoup de tristesse que toute la presse sénégalaise a pris cette douloureuse nouvelle. Nous prions également pour le repos de leur âme. Merci beaucoup de votre aimable attention. Je vous remercie. tedduɓe vous ɗo hannde des musée de civilisation noir on kala en dokkulen fartangi wawde arde hanndi e tawtoreedi ɗeɗo golle ɗe mbaɗen hitaandi walla mbiyen leddi sappo eh, ɗi puɗɗiɗen wadde oɗo hommage faade son excellence boubou sangot siftindi mi haalani ɗum jooni e tubankore boubou sangot meeɗani wiidio mawnini walla yo teddini kono naani joob haali ɗum ɗo e ɗemngal français neɗɗo ko golle balle ko ɗum wondimabou makko sikki ala hen ko enen nandi ɓeɗo bandiraɓe fettiɓi gila toon bumbo haa golleeri haa ɓe gollide tono e ndeer ministére des affaires étrangére ina waɗi woɓɓe ɓe ngannduɗaa ko neddunooɓe men témoignage ji e leyɗeele keewɗi ɗo rewi woni gabon woni pologne woni corée woni chine woni brésil hawri ko tawi golle goɗɗii montage uji keewɗi mbaɗaama ɗum saabi naatani e film o kono ina heewi no feewi no feewi ɓe nganndanɗaa hoore ma ceettima e makko ndee ɗo moƴƴere wadde eh, wiya hamadin gise mbo duwantanɗen en kaali ɗum jooni haali ɗum e nder filme neɗɗo yo ruttete teddungal gile no wuuri wadde boubou sango ɗo poɗɗo ruttede teddungal ko exemple wonandi sukaɓe ɓe wonandi ni hay mawɓe ɓe hande ɗon aduna ko tonni weltare mawde noon wonandimi personnellement ede allah rokki en fartangge wawde jofnude ɗeɗo golle oɗo filme mo ganduɗa ko waktu pawɗo hojomaji jeeɗiɗi mo mbaɗɗen hakkude mbumbo gollere ɗoyde e dakar kono kay e caggal leydi nde tawno heewɓe enen nganndini ndiyan konngi mumen témoignage uji mumen wadde ɗum ko hunde nde nganndanɗa hoore ma kala kaalananooɗo oɗo projet ina softo ina heño e waawde hen haalde eɗen jetta aussi euh, omo ngannduɗa woni maire mo gollere mamadou dem kanko idi wadde témoigné e ndeer oɗo filme donc e moyi ɗo jooɗi ko bureau makko mino ko neɗɗo iditako mi haalde tout comme maître sadel ndiaye maire mo mbumbol kanko ne ɗum même chose ɓe mbaɗi geɗe maɓɓe mbaɗi jawɗi maɓɓe guiɗe e voyage battinoɗe e foof ɓe darimi hen ha golle ɗe donc jotti ɗo jotti ɗo sangol noon so ruttama teddungal ko ruttede teddugal mi haali gandumimo ko hitande 2017 ɓoyani saabu camñas o jooɗiɗe caggal gonɗo hannde gardiɗo bureau personnel to ministére affaire étrangére ko on yano toon ko jonte tati waɗi toon balɗe nogas e kono arti kina naji e moƴƴere makko o wimi umar est ce que aɗa andi boubou sangol windirata bikuji laamu ɗi so tawi omo winda e bureau makko ko bik mbo o soodat ala boutique on o windirata saabu o yiiɗa neɗɗo noddambo omo ƴettonoto wal bi eh, walla numéro de téléphone o windira bik laamu ngo o yiiɗa on ɗon haqqi ko suusa ɗum mbimi ha o wi o wi haaɗani ɗon o wi boubi sangot ko consul général omo jogui voiture de fonction laamu leydi sénégal ala heddanima o wi so aljuma ari so min ummima galle résidence makko min dawi bureau ko hot service min dawrata so tawi min boni ɗon ha waktu juulal juma yonti min jolate oto laamu o min kooto ha résidence makko so tawi min jottimo min celligo mbi min goɗɗi juma o gar o ƴetta oto makko mbo jeeni hoore makko min juuloy min garta so min kirdi o ƴettiɗo o e oto kadi min dutto wona neɗɗo fof waɗat ɗum waɗande meɗen boubou sangot filme noon en jiilaki hen hunde saabu filme long métrage nden foof ande ko woni filme long métrage en jiilaki hen hunde jiiɗiɗen hen expérience d' abord enen wonde sukaɓe janggoɓe jeeɗiyankagal e wona ɗemgal men fulfulde e ɗemgal tubankore hollude aussi leñol ngol ko eɗen mbawi wadde ko waɗate france 24 walla ko waɗte rfi mi salmini hen garanɗo ɗo hande rfi walla ko waɗte tv 5 moon e oɗo filme mo mbaɗɗen en cappaki kono ɗoftiɗ dendangal ko wiyete norme documentaire ko mbawɗam fawde ƴettere winderde fof o fayto o yeeɓe te so allah jaɓi moon jim bañ goɗɗo ɗo wona ɗo edi ɗum noon haala ka heni juutɗo ne heewi ɗo haalate e oɗo gorkaji ɗum sangor madame sangor mi salminima no fewi no fewi korsini ɗum no fewi encore une fois duwnaji je hamdin guise duttiɗo hanki nde min jehi mbumbu nde min jotti e, momin nabi sambo bonɗon wawi ɗum ɗo settade haade amen arde tawi ko waɗi établir liste yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓen min joguino foɗɓe haalde e film o ko e feccere ñalaama ɓe haalɓe mbumbo e no ɓe poti ni koye feccere ñalaa min mbayi ɗum min kirni min mbalta e golleere wadde wonaa hunde wiyat ɓeɗen gorko darinooɗo kadi euh, vraiment kilifa no feewi e ndeer wuro ngo kaaloowo kadi jaɓanee ɗum noon yo allah ɓurno ƴiima ka wirmoom yaafoomo kanke e maaɓe jooɓi kala allah jaaraama on jaaraama kan sambo yo giɗaaɗo ko a weltanaama jaalaama kadi musidɗo ma dembo hamdeji jonngara Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Omar Momodoso, pour ces moments de plaisir. Et il commence à se faire tard et que les bonnes choses ont toujours une fin. Honorables invités, chers parents, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les mots manquent pour vous exprimer ce que je ressens au plus profond de moi-même suite à l'hommage que vous avez bien voulu me rendre ce 5 juin dans ce musée des civilisations noires à Dakar et que vous comptez rééditer la semaine prochaine, précisément le 11 juin 2021 à Mumba, mon village natal. Je suis né à Mumba, j'y ai grandi, j'y ai fait mes études de primaire. Donc à Moupa dans la région du Sénégal, Inch'Allah Soyez certains qu'être ainsi mis en avant fait chaud au cœur. Même si cela incite également à rester humble devant une telle marque de reconnaissance, oui, cela me fait chaud au cœur. Et je ressens une satisfaction très profonde de voir l'immense générosité et l'humanité qui anime chacun d'entre vous vous tous qui avez accouru cet après-midi pour me témoigner votre attachement à mon humble personne. Un attachement que je savais déjà aussi haut que le ciel bleu au-dessus de ma tête. Franchement, je suis touché au-delà des mots. Tous les mots manquent, sauf un. Merci. J'ai fond du cœur merci à mes chers anciens maîtres d'école à mes chers anciens professeurs, à mes chers amis, mes chers anciens condisciples, mes chers collègues, mes chers parents, à vous tous qui avez pris la peine de faire le déplacement de cet après-midi. Ressens votre éternelle débiteur à tous et à bien d'autres encore que malheureusement, le quelque peu tardive de cette cérémonie ne me permet pas de nommer. Je vous prie de trouver ici l'expression renouvelée de mes sincères remerciements ainsi que de ma profonde gratitude pour m'avoir éduqué ou enseigné ou hébergé ou partagé avec moi votre capital d'expérience. À M. Omar Mamousson, jeune journaliste promis à une belle, brillante carrière, je voudrais dire que je suis à la fois touché et reconnaissant pour l'initiative qu'il a eue de me consacrer un livre documentaire mais comment rester insensible aussi à la sollicitude de mon condisciple, mon jeune collègue Samba Diagnos, chancelier des affaires étrangères, Samba, je veux que tu saches comment cœur me cesse de te remercier, te remercier et encore te remercier. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pieuse pour tous ces êtres chers qui, nous ont, qui ont témoigné dans ce film, qu'ils ont hélas, ou qu'ils n'ont pas pu hélas visionner, pour nous avoir devancés dans l'au-delà. J'ai nommé notre cher père Séré Jamala notre tante Mme Djiko, nos amis Malal Koudibeli et Siliman Si, nos collègues doyens Ablaï Diop et Ahmed Yandiaï. La liste était déjà longue trop long. Mais elle devait malheureusement s'allonger avec le rappel à Dieu hier vendredi de mon homme et la Jamine qui s'était ainsi en pour la réussite de ces journées d'hommage. Vous l'avez vu et entendu dire dans le film qu'il est mon tout dernier emploi pour enrichir Que de tout miséricordieux le raccorde de Futaus, ainsi qu'à tous nos autres de disparus un merci général envers tous les membres des commissions regroupées au sein du comité de pilotage. Sous e la houlette de M. Damayer aussi et l'aide du maître, notre aîné Suleiman moi, ils ont, des semaines durant, travaillé sans répit pour préparer de la meilleure des manières cette journée d'hommage et celle prévue pour la semaine prochaine à Mouba, Inch'Allah. J'apprécie hautement votre générosité et votre disponibilité à tous. Merci d'avoir fait tout ça pour moi. Henri Watt disait que la reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. C'est donc cette belle fleur que je vous offre à tous. C'est à ça qu'il m'a apporté le privilège à la fois redoutable et exaltant de pouvoir consacrer mon énergie et mon temps pour exercer cette fonction de consul général du Sénégal. Il va sans dire cependant que cet engagement n'a pu se concrétiser que dans une démarche collective. Aussi, mes pensées vont-elles à mes collaborateurs, sans qui il aurait été difficile, voire impossible, de faire quoi que ce soit. Nous pouvons donc dire que c'est l'institution qui est véritablement mise à l'honneur gens. Elles vont aussi à la communauté sénégalaise des amis et à toute la diaspora de notre pays en général, dont certains membres se sont illustrés et sans compter les listes durant dans des actions très en faveur du Sénégal et de ses enfants établis en Zambie. Et de cela, M. Abdoulaye Yaye, alias Madine président de la société Grizzly Mining, la deuxième plus grande ville de Moro dans Zambie, la première étant la propriété de l'État zambien M. Ndiaye est aussi le président de l'association des ressortissants ouest-africains des Amériques. Plus de 300 employés, dont une grande majorité de Sénégalais, travaillent dans la de société. J'associe à ces remerciements tous mes collègues sans exclusives, tous mes amis et proches, car encore une fois, une fois sans eux, nous ne nous retrouverions certainement pas aujourd'hui dans cette majestueuse salle du musée des civilisations noires dont le professeur Émile Jamadé beaucoup, que nous ne remercierons jamais assez et le directeur général. Pour sûr, qu'aucun d'entre vous n'est étranger à ce qui m'a venu d'être distingué aujourd'hui. Chacun d'entre vous y a joué admirablement sa partition, d'une manière ou d'une autre. Cette haute distinction me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qui reste à parcourir. Comment ne pas penser à mes chers parents pour l'affection dont ils m'ont entouré, la manière dont ils m'ont élevé, guidé, inculqué les vertus fondamentales. Mais comment ne pas me souvenir aussi de, ma famille, de la villa 251 6 à 2, particulièrement de mon oncle Modignan, de ma tante Toukou Père Péa leurs ainsi que de deux enfants, mes chers cousins et frères, au premier rang desquels il est le plus que frère, qui a tout fait pour moi. Merci, Tcherno. C'est une mention spéciale à ma chère et fidèle épouse hein, Aïcha. Aïcha, Aïcha c'est son nom, l'ami sincère, la sœur, la confidente, l'autre moi qui ne m'a jamais quitté depuis notre mariage, c'est venu le 30 décembre 1980. J'ai mon convaincu que sans sa patience et sa complicité, Quelque chose aurait manqué à notre bibliographie. C'est même plus qu'une conviction, c'est une certitude, croyez-moi. Plusieurs s'interrogent sur le nombre d'ouvrages qu'il m'a été donné d'écrire, se demandant comment est-ce que j'ai fait pour en trouver le temps. J'ai souvent répondu que le temps, il fallait le créer. Il s'y que le nombre total de ces 24 ouvrages est d'environ 6000 pages écrites de 2004 à nos jours, soit sur une longue période de 17 années. J'en ai honte. Très sincèrement, j'en ai honte. Parce que c'est peu. Car 17 années entières font 6205 jours. Or, je n'y ai consacré que moins de 6205 pages à Moulana de Donc, donc tenez-vous bien. Tenez-vous tenez bien moins d'une page par jour. Je n'ai pas dit une page par jour, mais moins d'une page par jour. C'est pourquoi je dis que j'en ai honte, c'est peu. C'est très peu pour quelqu'un qui, comme vous tous, n'a été créé que dans l'unique but d'adorer son Seigneur. Je n'ai créé les djinns et les hommes que dans l'unique but qu'ils m'adorent, a en effet dit le maître de l'univers. Permettez-moi aussi tout en vous réitérant mes remerciements à vous tous ici présents de citer Gilles Michelet qui a écrit Le difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. J'espère donc pouvoir continuer à rester moi-même. Puisse Allah Ta'ala, puisse Allah Ta'ala l'omnipotent m'y aider. m'a Un grand merci à aussi à à l'association sportive et culturelle des Frésini de Mumba pour avoir volé à mon secours lorsque j'en avais besoin, lorsque j'avais besoin d'aide, en mettant à ma disposition les armes appropriées pour venir à bout de ma timidité et dépasser mes blocages. Mon frère René Suleiman l'a évoqué tout à l'heure lors de son allocution d'ouverture. Merci, Gert Suleiman. Cette association a été un précieux et inestimable cadeau que Mumba m'a montré offert. C'était du temps où les CFO, transcendant les clivages d'âge, de sexe et de caste, déployaient un formidable travail à travers une politique efficiente de formation, d'éducation et de conscientisation des masses en vue de l'émancipation des gens de chez nous, ainsi que du développement de notre cher village, Mumba, érigé en commune au mois de juillet 2008 à travers ce rappel, nous ne voulons dire qu'une chose, une seule chose. Yes, we can. Que Monsieur le Président, que le Président Barack Obama, ancien locataire de la Maison Blanche, ne nous tienne pas à rigueur d'avoir emprunté, sans en avoir au préalable requis son autorisation, son expression fétiche, yes, we can. Oui, le développement du Sénégal est bien à la portée des Sénégalaises et des Sénégalais. Mais pour le réussir, nous devrons, entre autres, nous affranchir de nos complexes, croire et développer la confiance en nous-mêmes, compter prioritairement sur nos propres forces et moyens, travailler avec endurance, s'armer du principe rien pour soi et tout pour le peuple, avoir en horreur l'injustice, mais nous discipliner davantage. C'est surtout là où le parlons. Mes bien-aimés compatriotes, il m'est un devoir à ce stade de, mon propos. Et avant de m'interrompre ici, car les serrés et les salaires, les salsalbés, ne sont plus attentifs à ce que j'ai dit. Et leurs yeux étant arrivés sur la table d'à côté. Et donc, euh, il m'est un devoir de vous assurer de ma constante reconnaissance à vous tous qui m'écoutez en ce moment. Le Seigneur vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa seydou nour nias euh, on beltana no fewi kadi fof yettude allah no fewi e judde nelaɗo sallllahu alayhi wa no ni ko en do ko projection film woni hollirdi ayaw film mo ganduɗa juteni mo mo e hoyo waktu pawdo hojumaaji jeeɗiɗi ko long métrage noon wiyete nde tawno euh, wonko jiɗta hollirde walla wonko jiɗta haalde wawa raɓɓiɗirde holno jiɗirta ni euh, kono omo mbaɗen ɗum mbiteɗo élage boubou sangot mo ganduɗa ko jibinande wuuro wiyetengo mbumba e, e golleri ko toon o jeeya janggoɗo hannde waɗi servire ko jaasi jaasi duuɓi capanɗe nayyi en gollini ɗum leydi sénégal jaaɗo e ko jaasani leyɗele sappo e goho e windere nde bindude defte ina ɓuri hannde nogas enayi deftere tawi heen defte sappo e tati lollinama mbaɗama publié rutti woni un homme de dimension sociale woni ko ballowo no fewi to diwan mum en nani settiɓe e nder film o waɗi eto batte jumaji e jamaji e walloɗi to batte ajoni guuro ala fo mbo o wallata wadde oɗo ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko poɗɗo rokkede gueɗal poɗɗo ittinede gueɗal min noon ina mbaɗa jeeya e wiyoɓeɓe neɗɗo ina foti ittinede gueɗal guila ina wuuri ɓuuri gaccen tan ha neɗɗo wirno gonon e haalde moƴƴi muɗum e ɓuuri muɗum donc oɗo buubu sangot ko neɗɗo ganduɗa hoorema ko poɗɗo hollirede exemple guil e jeunesse o woni sukaɓeɓe hani e mawɓeɓe nde tawno hande jamanu hande o sukaɓe e mawɓe foof cohli ko wiide ko repaire wadde ɗum ko hunde nde ganduɗa hoorema aussi ko wande fay ɗum wonno objectif men nde ganduɗen mo takani ɗum ɓoyde 2017 tan wonno kono e nder duuɓi seeɗe ɗe e jokkodirɗen e makko en gandi ko neɗɗo mo ganduɗa golliki heewi ene jogui kadi nunɗal eɗen eh, ƴettannoma nden e radio ji ɗi gonnoɗen omo waɗa intervenir e sujet ji kewɗi ɗum fof ko neɗɗo mo ganduɗa e yiyandi am eɓe gollidmi e nder filme ɓe to tawi jomum lollinama hollitama o ko woni ko omo wawi wadde inspiré yimɓe hewɓe no fewi wadde ko weltare mawde wonande en e yuɓɓindi ɗum ɗo oɗo o long métrage e kanko omo ganduɗa hoorema woni woni boubou sangotta donc objectif o wona dañde hen ngaalu wona dañde hen mbuɗu wona e hunde wonno ko premièrement eh, andinde aussi enen e ken janiyankoɓe ko gandanɗa hoore ma ɗum jannguɗen etteɗen ɗum wadde mettre en pratique ɗum ko goho gueɗe gonguel ko expérience woni mo gandanɗa hoore ma eɗen eɗen paadi ɗum hen wadde ko hunde nde gandanɗa hoore ma eh, ko wande fayida de maniére générale kono kadi yettude dendagal onon arbi tawtorede ɓe eyyi eɗen mbawi wiide ko ɗum hitande lebbi sappo jaggi hitande tournage uji ɗi puɗɗino koye août 2020 Euh, montage uji ɗi gasi koye lewru mai 2021 wadde sa ƴeewi tournage o ende gasi nde ko lebbi sappo kono noon wadde établir foɗɓe yewtidede ɓe ambassadeur uji ƴettaɓe ɓe hen yimɓe kala wona wona yeehi tan a wayi ɗumen interrogé ɓen noon hewɓe mabɓe ko guila e lewru juin hitande 2020 te koye lewru juin gonde wadde woni hitande firti ko ƴetti temps ƴetti kadi moyen ko waɗa hen koye moyen ne heewi no fewi waɗi déplacement ji yaadi ɗo e guuri kewɗe donc hunde nde gandanɗa hoore ma a fala buddu waɗe sa yiiɗi film ma jogo ngaalum jiɗɗa woni richesse on ɗon kono caɗele kadi mbasata a haaliga faate ɗum ɗon nde tawno kala jeɗɗo wadde ko wayni yeti a yiiɗi donc hollirde le volet professionnel alay saago wodo ko yaadi tampere nde woni d' abord e golle ɗe montage golle jogade image d' abord fotin hitande wonda ema majjani effacetaki enen fof eɗen gandi hande waɗi conservé image on wayi sadde ɗum ɗon tan déjà ko hunde sattude waɗi eɗen jettir ɗum ɗon allah caɗele goɗɗe ko voyage uji ɗi jamma e ñalama ko e saaha ndungu waɗino caɗele hewɗi jiyama hen donc ɗum ɗon fof ko caɗele ganduɗa ce sont des expériences euh, ko gueɗe ganduɗa hoorema c'est positif eɗen mbawi wiide kono waddeko yettirde ɗum allah no fewi no fewi fof mhm. mbele oɗo sahaaɗe mbawi fadde ha filmuji en ɗum e téléji keddiɗi mhm. eyyi bon euh, pour le moment volet euh, gadan o wonno wadde projeté ɗo joni so allah jaɓini foti waɗiyede projeté to wuuro mabɓe to mbumba ñande samedi garowo euh, le 12 juin walla le 11 vendredi wonata donc so on étape yawti ina waɗi volet ji goɗɗi nde tawno en jiiɗa tan ha ɗo jiɗen ko holludembo ko hollirdembo ko ha joni hollirdembo aduna hollirdembo aussi e nder sénégal wadde on ɗon ko hunde nde gandanɗa hoore ma ko ko wande fayida ko hunde nde gandanɗa hoore ma eɗen jiiɗi ɓeydo yajji wadde en en paltaki hay télé goto en tel paytaki hay télé goto woni nder leydi ndi woni caggal leydi ndi donc ko hunde nde gandanɗa hoorema télé ji kewɗin goodi télé ji tubakoɓe e ko nandi hen te filme aussi koye français waɗa horaki dogde france 24 saabi ne ɗofti norme uji poɗɗi ɗoftede hen ɗi ene ɗofti kala ko ganduɗa hoorema ɗum cikkuɗen ɗum ɗo film documentaire so joguima ɗum ina wawi yawtude eh, e, e, e n' importe quel télévision wadde mbeɗa sikki e étape uji garoji ɗi eɗen jogui vision waɗi ɗum divulgué yawtin ɗum yajñode ɗum e yoga e nokkuji Ah, Donc euh, aujourd'hui vous êtes là, euh, on vous a rendu euh. hommage à travers un film intitulé Vous vous sentez un homme multidimensionnel. quel est le sentiment qui vous anime Un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté, mais qui doit aussi m'inciter à faire preuve davantage d'humilité. S'il m'a été donné de réussir, comme les collègues qui sont succédés à la tribune lundi, de réussir totalement ou partiellement ma mission, c'est d'abord grâce à Allah, l'omnipotent et omniscient, mais aussi grâce à la collaboration franche et loyale des collaborateurs qu'il a plu à Allah Ta'ala de placer sous mon autorité. Madame euh, Diouf, ici présente, est rentrée récemment de la Zambie où elle a servi, pendant deux ans comme euh, deuxième secrétaire. Elle, elle était mon sens. Donc c'est grâce à eux tous euh, qu'il a été possible de réussir quelque chose. Si toutefois, réussite, il y a eu. Donc c'est une euh, reconnaissance et qui, par-delà ma personne, est faite et adressée à toute une institution, l'administration sénégalaise. Et aujourd'hui, vous avez fait pas mal de pays. Euh, quel est euh, le bilan que vous tirez des relations entre le Sénégal et les autres pays Des relations d'amitié fraternelle des relations de coopération exemplaires à tous les niveaux, que ce soit sur le plan bilatéral, que ce soit dans le domaine euh, multilatéral. Le Sénégal a d'excellents rapports de coopération avec tous les États du monde, sans exclusive aucune. hannde a waɗanama ngal ɗo teddungal eh, holko ɗum waɗate ɗum waɗata yam mm, ko hunde mawde mm, ko belemma e welemma e weytare e caggal yettude allahu taala jom baɗe bawɗe e, e julde e seydina mouhammad sallahu alah w sallam ɓurɗo ɓurnaɗo mo jaama kisal woni e muɗum o en jetti kadi jiknaɓe meɗen ɓe so a wi jiknaɓe noon a noddi ɗon jiknaɓe tato a noddi jiknaɓe jibinɓe ɓe a noddi jiknaɓe ñamminɓe ɓe a noddi jiknaɓe janginmen ɓe mboɗo wowi wiide neɗɗo jogui ko jiknaɓe tato jibinɗoma neɗoma e jangguinɗoma ɓeɗo tati fof koɓe ñiiƴe bamɗi koɓe ñiiƴe yeesode ko kamɓe poti fodde e gib e ma nden noon so tawi wonko daña so tawi wonko heɓa so tawi wonko golla hewde e famɗude caggal allahu taala jom mbaɗe bawɗe o ko sababude maɓɓe kono kadi ko sababu nde e bandiraɓe fof min eh, kon pecciɗo kosam ɗam ko mbum ƴiƴam ɗam ko golle e gam sukaɓeɓe ɓuura famde nenam ko mbummanaji baba gollere naji ko ɗum jiyadni wiide kosam ɗam ko mbumma kono ƴiƴam ko gollere ko mbumma jibinami ko toon koɗimi aduna hewɓe noon ene juuma cika gollere jibinami nde tawno jiknaɗam goto gollernade kono ala ko mumo jibinami ko ɗon mawnumi nde noon so woodi ko daña hannde ɗum sababu nde bummannaɓe so allahu taala yewti ene heen e caggal nde gollernaɓe ne kañumen ne gona heen sara haade woni ƴiƴam ɗon ko toon nden noon ko weltanaɓe kamɓe fof ko yettudeɓe kamɓe fof ko mandeɓe kamɓe fof caggal ne jetni allahu taala saabu ko daña ko foof koye mabɓe daña eh, hannde sa ƴeewi arunonoya a waɗi leyɗele kewɗe eh, holko mbaɗa haalanda min jokkodiral leydi sénégal e leyɗele kedii ɗe jokkodiral ɓin ɓingu yummaago mm, jokkodiral belngal mm, jokkodiral juɓɓungal jokkodiral ngarɗungal mm, hay sinno ni mata won ko fota ɓuccade heen ɓuccede heen sabu ngarɗi ngarɗi fof koto allahu taala tan woni eyyi nden non alhamdulillahi rabbil alamin mm, sénégal jokkodiral muɗum e leyɗele goɗɗe ɗe e machallah ma sha e Allah ko yo allah yawɓeji ene feewi ene ngar e laala hen j'étais son assistante personnelle mais lima meuna lima meuna retenir si mom moy diine mom amna ko nit ku djub et puis intègre lépp lu ñu mën a wax ci alalu mbooloo moom soxlawu ko alalu jàmbur soxlawu ko te mënoo wax luy tax mu mu jëfandikoo mën naa la rencontrer sax benn benn anecdote mës na ma ni ndox bi ñuy naan fii cest à ñu def fontaine def ci ndox mësu ci naan lu dul jour biñ ko posé mu koy ñam xool ndax ndox mi normal na wala normal ci la ko mës a xam nga nga nekk nga nekk résidence du Sénégal avec tous les privilèges dara manqué lu ci war a jëm lu ci war a jëm ci lu état bi moom du ko laal alalam lay dundee loolu laa gis loolu laa gis ci moom donc xam nga man li tax ma ñëw fii xam naa ko donc dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér parce que nag ñu mel ni moom jafe nañu ci àddina amatul espèce bu rare la macha allah merci